fidèles euh, téléspectateurs euh, et auditeurs euh, des programmes du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue à ce numéro du Forum de la presse de ce vendredi 18 février 2022. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous propose des analyses sur des faits saillants et a marqué l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse. Au menu du numéro de ce soir, nous discuterons tout d'abord de l'incident intervenu dans un quartier de Niamey ayant occasionné la mort d'un élève près du domicile d'une personnalité mardi dernier. Ensuite, nous parlerons du lancement officiel le 15 février dernier par le gouvernement et ses partenaires du plan de réponse humanitaire et du plan de soutien du Niger pour l'année 2022. Enfin, nous terminerons avec la deuxième conférence africaine pour la paix de Nouakchott du 8 au 10 février 2022 sous le thème Offrir la paix au monde pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Mohamedou Souleyman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Ousseini Issa, journaliste indépendant, et Maïmoune Gado, journaliste indépendante également. À la modération de ce forum de la presse, je suis Michel Deji. ce forum de la presse euh, du studio Kalangu que nous débutons par cet incident intervenu dans un quartier de Niamey mardi et qui a occasionné la mort d'un élève près du domicile d'une personnalité. Selon le procureur de la République qui était face à la presse euh, le soir de cet incident, l'événement s'est passé entre midi et 13 heures et l'auteur euh, des tirs mortels un gendarme a été identifié, relevé et placé en garde à vue à la police judiciaire pour les besoins de l'enquête. Mahmoud Gado, comment en est-on arrivé là D'abord, euh, je présente euh, mes condoléances donc, à la famille mhm. euh, du disparu. C'est un lycéen, élève en, terminale D. Mhm. Donc, vraiment toutes mes condoléances. Et ce qui s'est passé, bon, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais dire euh, suite à la sortie médiatique euh, du procureur de la République mhm. et également la déclaration des étudiants. Des étudiants, il y a eu, deux versions, il y a eu deux versions différentes. Mhm. Parce que les étudiants, euh, ce que les étudiants ont rapporté et ce que le procureur a également rapporté, tout le monde a vu que c'est vraiment deux choses différentes. Mhm. Maintenant, le procureur a dit que justice sera faite. Donc, euh, on attend de voir si justice sera faite, comme il l'a dit, mhm. pour que euh, on n'assiste plus à ce genre de choses. Mhm. On sait que c'est vrai, Niamey est en pleine insécurité, parce que le Niger est en insécurité, il ne faut pas l'oublier aussi. Mhm. Mais de, sur quoi tirer sur euh, une voiture avec des enfants, des élèves dans une voiture, c'est quand même ça, donne à imaginer, ça donne mm. à, réfléchir davantage. Mais l'un dans l'autre, on ne peut pas être juge et parti. Mm-hmm. Donc, euh, justice sera faite. On il faut euh, attendre d'abord que la justice se prononce dans mm-hmm. cette affaire pour euh, pouvoir faire plus d'analyse par rapport à ça. Il est mm-hmm. très tôt, en tout cas, pour pouvoir dire grand-chose par rapport à ça. Merci beaucoup. L.A.G. Mohamedou Soleiman, c'est vrai, il faut le rappeler, l'après-midi de l'incident, justement, le comité directeur de l'Union des scolaires euh, nigériens était sorti à la place AB de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, où il y avait donc le comité exécutif de l'UENUN, mais également la section lycée et collège de Niamey. Quelle était en fait leur revendication par rapport à cet incident euh, Mais avant, permettez moi de exprimer aussi mes condoléances, en tout cas une pensée euh, aux disparus euh, pour le repos de son âme. Euh, donc, un jeune qui nous a quittés vraiment à la fleur de, <laughs> Bien sûr. de, l'âge. Donc, bon, avant la, la déclaration ou bien l'âge de, de l'union scolaire, il faudrait qu'entre-temps, il y a eu quand même différentes euh, versions, mhm. différents scénarios présentés, euh, en tout cas à travers les réseaux sociaux. Bien sûr. Euh, je pense que va falloir vraiment raison garder dans des situations pareilles. Mhm. Ne pas chercher de mettre de l'huile sur le feu parce que déjà la situation est extrêmement grave. Mhm. Il y a eu mort d'homme par balle, donc euh, il va falloir donc d'abord euh, chercher parce que ce qui allait être encore grave, c'est que heureusement qu'après l'Assemblée générale, que les étudiants n'aient pas décidé euh, de descendre. Donc, pour chercher aussi à faire une descente punitive contre les FDS. Mhm. donc, je pense que c'est quand même, il faut saluer ce, cet aspect. Ils ont apprécié la situation et ils ont demandé effectivement la justice. Mhm. Quelque temps après, justement, on a vu le procureur euh, donc, euh, apparaître à l'écran, en tout cas pour euh, dire que même, en fait, c'est il a commis donc la police judiciaire qui allait donc faire l'investigation. Et je sais que les gens prennent, en tout cas sur des pincettes, les, propos souvent des uns et des autres. Mmh. Mais je sais qu'en tout cas, il a dit, la, police judiciaire, en tout cas, comme c'est un, organe de la police, en tout cas, très rigoureux, a dû apprécier en tout cas, il a dit que euh, voilà ce qui s'est passé. l'effet faits, en tout cas, euh, la question qu'il faut se poser, si c'est effectivement le gendarme a agi à légitime euh, défense, est-ce que véritablement il était vraiment tellement acculé Est-ce qu'il était nécessaire vraiment de, tirer mmh. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour gérer la situation donc, euh, est-ce que véritablement, euh, ils ont vraiment foncé sur eux Ça, vraiment, c'est une autre question. Euh, mais l'autre élément, justement, c'est que le procureur a dit également que les faits ne se sont pas passés dans une école, contrairement à ce qui a été dit. Selon lui, ce que ça euh, n'a aucun rapport avec des activités scolaires. Mhm. Je pense que c'est là qui est un peu. Euh, mais l'USN, selon l'USN, c'est un élève qui est concerné. C'est ça, en fait, la position de l'USN, en fait, ici. Mais, justement, justement, en fait, euh, mhm. ici, à partir du moment, par définition, l'USN doit, en tout cas, donc défendre les intérêts matériels et moraux. Ici, mhm. on a tué un, un, scolaire. donc, vous voulez un peu. Et le contexte c'était vraiment dans le contexte des événements du 9 février. Mhm. Vous voyez un peu euh, ce que euh, cela peut représenter, en tout cas au niveau donc, de, de, de, de, l'autorité de tout le monde. Mhm. Parce qu'autrement dit, c'est vraiment un dossier indésirable pour l'autorité. à mhm. euh, en ce moment-là, en ce contexte où les gens sont en train de célébrer la mémoire de qui a disparu, on vient encore abattre froidement un de leurs. Vous voyez, c'est comme si encore vraiment une sorte de façon de mettre sur, le feu. Heureusement, je pense qu'il faut saluer quand même l'effort, la, retenue, en tout cas, je pense que ces événements euh, pourraient, si vraiment les gens avaient mis en avant beaucoup de, patients, notamment les scolaires, mhm. ça allait nous mettre dans une situation euh, d'incertitude où on va faire un, truc entre, la police et, les, étudiants, des mhm. les scolaires, en tout cas, une sorte de course, poursuite. Mais je pense que. Et ce n'est pas de euh, l'intérêt Ce n'est pas le cas. Mhm. Moi, je pense que le procureur, il a promis que la justice sera euh, faite dans les meilleurs délais. On attend véritablement qu'il pose ses conclusions, puisque vraiment les faits apparemment, à partir de ce qu'il a eu à dire, déjà on sent qu'il a assez, assez d'éléments. Mhm. Donc il ne faudrait pas aussi que ça tombe dans l'impunité. Il faut qu'on dise ce qui s'est passé et qu'on sanctionne ceux qui doivent être sanctionnés. Là vraiment, ça peut rassurer tout le monde. Et je pense que dans le euh, genre de situation, euh, par exemple, le cas de février, vous avez vu, ça fait aujourd'hui 32 euh, ans, il n'y a pas de justice. Depuis Chaque fois, on célèbre cela, alors que si on a véritablement la volonté politique par les autorités, tout, ce qui se donc effectivement, tous ces démocrates. Mhm. Il n'y a pas un gouvernement qui a osé dire que cette question-là, on va la régler définitivement pour rendre de la justice. Et même, il faut le dire, un scolaire a été ministre de la justice. Un cadre de l'USN a été ministre de la justice. Il mhm. n'a pas osé justement aller jusqu'au bout. Donc moi je pense que le service que le procureur pourrait rendre en tout cas à la, République, en tout cas aux, Nigériens, c'est que vraiment, comme il l'a dit, on l'attend en, tout cas vraiment qu'il dise clairement, en tout cas dans le meilleur de l'heure, que voilà ce qui s'est passé et voilà les sanctions qui ont été euh, donc euh, préconisées. Euh, parce que tout simplement, comme rappelez-le, de plus en plus, il y a des cas qui sont cités, en tout cas faire tuer facilement les, les, gens. c'est des situations vraiment. Je sais que le maintien d'ordre mhm. est, souvent euh, compliqué, mais tel que ça s'est présenté, franchement, pour l'autre monde était surpris. Je pense que euh, même euh, l'autorité peut se dire que on peut un, sabotage. Mhm. Dans ce contexte particulier, donc d'insécurité aussi, de, de, social, parce que quelque part aussi, comme je, l'ai dit vraiment pour me, pour me, résumer, les étudiants ne peuvent pas comprendre justement cela. Mhm. Et les, tous les citoyens, la vie est sacrée. Parce que, on ne faudrait pas. Vous avez entendu le C'est la Constitution qui le, dit d'ailleurs. Dans, ce truc-là, en tout cas, euh, mhm. ça, c'est la situation de, sécurité. Mais encore une fois, avant de doter une vie, qu'on se dise que véritablement la vie est sacrée. Merci beaucoup, On vous a bien compris. il, faut, euh, justement rappeler que cet élève, euh, il s'agit donc de feu Nogdin Alio, a été inhumé justement à l'occasion malheureusement de la journée du 16 février, qui est une journée de recueillement les scolaires étaient donc euh, au niveau des tombes au cimetière euh, musulman de Yantala pour se recueillir euh, devant les tombes des trois martyrs de l'USN du 9 février 90, euh, Alio Nahanchi, et Isaac Kane. Et dans l'après-midi, certains étaient revenus donc toujours au cimetière de Niamey pour l'enterrement du jeune euh, élève en classe de terminale D au niveau de l'école Niger de demain pour donc euh, son élimination. Nissa, c'est triste quand même, il faut euh, faire la lumière, c'est ce qui est dit par les deux confrères qui ont pris la parole. Mais à votre niveau, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que de telles choses ne se reproduisent plus jamais au Niger Michel, alors Suleiman vient de camper un peu le décor, le contexte dans lequel, mm-hmm. n'est-ce pas Ça fait 32 ans que le 9 février est célébré et commémoré par les étudiants, les scolaires du collège et du, lycée, n'est-ce pas C'est à la veille, justement, où... De la marche de recueillement. La marche de recueillement, allez, c'est à cette veille où, comme ça, on tue encore un scolaire, un collégien. Un lycéen. Oui, un lycée. Mhm. excusez-moi. Comme ça. les circonstances, n'est-ce pas Parce que le gendarme, certainement, a dû tirer quand le véhicule est déjà passé. C'est un peu, d'après moi, les images que j'ai vues. Parce que je crois que le défunt, il a pris la balle dans le dos. Mhm. N'est-ce pas Bon, on n'a pas tous ah. les éléments par rapport à ça, malheureusement. <laughs> C'est une affaire qui est pendante. Il y a eu plusieurs versions. Des gens disaient c'était des affiches par rapport à une kermesse. Les gens disaient c'est un garde qui a tiré. Après, on apprend pas que c'est un gendarme. Vraiment, il y a certains aspects sur lesquels. Vous plaît. Mhm. Moi, moi, je veux du principe. j'étais un acteur de événements de 90. J'étais à l'université. Mhm n'est-ce pas J'étais sur le point de quitter l'université. Il y a eu d'autres affaires après ça. On a promis la lumière. Un peu, la dernière affaire, c'était l'affaire concernant Bagalé. Mhm. C'était le 10 avril 2017. Alors, comme ils disent, on va faire la lumière. Moi, j'ai dit, porteur de tenue ne doit pas avoir la gâchette facile. Mmh. Parce que c'est dangereux. Il faut avoir la gâchette facile quand on est en face des ennemis dangereux mmh. qui sont de l'autre côté. Il faut, faut donc pas prendre les populations civiles possibles, mais que Alors, l'arme que tu portes à main là, c'est tu dois quand même euh, raisonner. Et quelque part, dans cette affaire, moi j'ai plein le comportement des porteurs de tenue. Hmm. Et je le dis pourquoi. Quand vous posez un acte, parce qu'on vous a donné des instructions, c'est vous qui portez la casquette demain. Parce que ceux qui vous ont donné, parce qu'il n'y a pas de. de, de, Mais de Hussein notre... la différence justement ici, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'instruction donnée. Puisque mais non, je veux dire, je mhm. dire, mais parce qu'il y en a qui travaillent avec des instructions juste verbales. C'est un cas là isolé, à part, on a l'impression. Un cas isolé, mais mhm. pourquoi tu vas tirer sur un véhicule qui t'a déjà dépassé mhm. N'est-ce pas Oui, mais ça, ça pose justement là, c'est un problème. Non, ça pose problème. Comme vous avez parlé d'instruction. non. mais moi, quand j'ai parlé de ça, j'ai dit quelque part quelle que soit mon agitation, moi, je sais que je dois, en tout cas, me, contenir. Mhm. J'ai une arme, je sais que c'est dangereux, je dois pouvoir. Aujourd'hui, qui est en prison Ce n'est pas l'élément qui, a tiré. Mhm. Qui est en difficulté C'est la famille naturelle. Ce n'est pas ses parents. Parce que c'est eux qui doivent amener la nourriture. Mais la famille endeuillée est encore plus triste. Mais non, mais bien évidemment. Mais eux, voilà, ça veut dire il va perdre son job, son travail, quelque part, mhm. définitivement. Alors, quand vous êtes dans des postures comme ça, il faut savoir, en tout cas, avoir un minimum de jugeote pour se dire, mhm. si je fais ça, qu'est-ce que ça peut m'écouter Je présente les excuses, mais le contexte dans lequel ça s'est déroulé, ce contexte-là n'était pas, en tout cas, de nature à, crédibiliser, à mmh. tolérer l'acte, à crédibiliser même les autorités en place. Mmh. Parce qu'on s'est dit, bon, voilà, de manière périodique, on tue des scolaires. Je suis d'accord avec ce que Suleiman vient de dire. Heureusement, les étudiants, ils ont été, quand même, ils ont fait preuve de retenue. Mmh. Ils ne sont pas descendus parce qu'ils attendent déjà des, des, des, comment dire, des réponses par rapport à des. Il n'y a pas que Bagalé, il y a eu pratiquement durant des 10 ans, de, au moins 3 ou 4 des élèves qui sont tués dans des choses comme ça, n'est-ce pas Alors, il faut discipliner. Vous êtes là pour assurer la sécurité. Merci beaucoup. Il faut donc euh, plus euh, de discipline euh, au niveau des forces de défense et de sécurité qui sont là normalement pour sécuriser, pour sécuriser donc euh, qui sont là pour l'intérêt du peuple, il faut le rappeler, puisque sans FDS, vous êtes là spécialement dédié on ne peut pas avoir de sécurité. Domicile, <laughs> si on ne peut pas tirer dans la rue comme ça, mhm. ça veut dire que <laughs> on, peut, on se permet de Merci Ousé Ousenissa. Nous rappelons donc que c'est une affaire euh, pendante. Euh, il faut donc attendre que. Oui, d'accord, tout à euh, cette décision de justice tombe pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Nous réitérons donc nos condoléances à la famille éplorée. Et à l'ensemble des scolaires nigériens. Il faut, dire même à tout le peuple nigérien parce que, le cas est vraiment n'est pas de dire on va faire. Merci beaucoup. Il faut, que encore, donc. Euh, il faut encore aller jusqu'au bout. Pour qu'on cherche le procureur a promis cela. Il a dit au moins, je pense, deux ou trois fois, je garantis. Ça veut dire qu'il va mm. œuvrer à cela, puisque c'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Nous passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse. Il s'agit du lancement officiel le mardi 15 février par le gouvernement et ses partenaires du plan de réponse humanitaire et du plan de soutien du Niger pour l'année 2022 des outils de planification stratégique et de mobilisation des ressources nécessaires pour une bonne assistance aux personnes qui vont se retrouver dans le besoin cette euh, année suite euh, à la mauvaise campagne agro-silvo-pastorale. Le premier, qui couvre la période de novembre 2021 à mars 2022, est estimé à environ 160,34 milliards de francs CFA pour une cible d'un peu plus de 2 millions et demi de personnes il vise la mise en œuvre des actions multisectorielles précoces d'atténuation et de réponse. Le plan de soutien, estimé lui à environ 279,25 milliards de francs CFA, constitue une suite euh, au plan d'urgence pour une cible de près de 6 millions et demi de personnes qui seront affectées par cette insécurité alimentaire avant août 2022. Mais Qu'est-ce qui a conduit à l'élaboration de ces outils de planification d'aide humanitaire au Niger euh, Tout comme euh, toi, Michel, peut-être quand il suffit tout simplement de circuler à Niamey, tu vas voir comment est-ce qu'aujourd'hui les la ville de Niamey, la quasi-totalité des gens que vous rencontrez, c'est des personnes vulnérables. Et mhm. ces personnes vulnérables viennent d'où Viennent bien sûr des euh, campagnes, des villages euh, où la récolte n'a pas été du tout bonne. Mhm. Donc c'est tout à fait normal que le Niger s'engage euh, à côté de, auprès donc de ses partenaires pour pouvoir euh, venir en aide donc à ces populations. Mmh. On faisait qu'à tout à l'heure de 6 millions, c'est ça 160,34 mmh. euh, milliards. Oui, de personnes qui 6 millions et demi. Et demi de personnes qui seront avant concernées août avant 2022. août 2022. Mmh. Donc maintenant, euh, ce qu'il faut s'assurer, c'est que les fonds puissent rentrer rapidement pour qu'il y ait plus de mobilisation, pour qu'on puisse atteindre les, les 200 milliards euh, et quelques. Mhm. Et ensuite, que les personnes qui doivent bénéficier on doit vraiment les cibler et les, pour, pour, que ces personnes puissent vraiment être euh, à, mesure d'avoir donc euh, cette protection. Mhm. Qu'il n'y a, pas de détournement de, vivre. de vivre et mhm. tout, parce qu'on a l'habitude de, de, de, voir cela. Maintenant, les personnes qui sont concernées doivent en bénéficier. Mhm. Et après, nous verrons si d'ici euh, avant août 2022, euh, qu'est-ce que ça va, est-ce que ça mhm. pourra atténuer les difficultés donc de ces personnes vulnérables. Mhm. Et je vous assure, à Niamey même, il y a ces personnes vulnérables. C'est pas seulement dans les zones euh, pastorales, à gros niveau pastoral. Niamey aussi largement touché par cette insécurité alimentaire. Hein. Mhm. Donc voilà, moi je propose que euh, c'est déjà une belle proposition faite par le gouvernement. Donc maintenant, il suffit tout simplement de les soutenir mhm. et pour que ça puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Il faut justement rappeler que selon le dispositif euh, national de prévention et de gestion des crises alimentaires, cette année, nous avons enregistré une baisse de 37% de la production en céréales par rapport à, 2020. Il faut donc dire que nous avons un déficit euh, céréalier qui est de l'ordre de 2 millions 4 480 euh, tonnes nous avons aussi des déficits euh, fourragers, c'est donc euh, des besoins immenses euh, que nous avons. Et là, Mohamed Souleyman, le gouvernement pourra-t-il réussir à mobiliser tous les moyens et fonds nécessaires qui doivent lui permettre de mettre en œuvre ces deux plans, le plan de réponse humanitaire et le plan de soutien. Mm. Ben, on a suivi les partenaires, notamment l'Union européenne, mhm. Euh, en tout cas les partenaires qui étaient là, qui ont promis justement. Il y a aussi le système des Nations Unies. Des Nations Unies, absolument, mm d'accompagner le, le, gouvernement. Mais à mon avis, on ne doit pas être là parce que vous voyez, c'est récurrent tout à fait. Euh, chez nous, une année sur, trois, peut-être. En 2021, euh, il y a, eu déjà un plan de réponse humanitaire. souvent, mm. les, campagnes agricoles sont déficitaires. Il y a des mm-hmm. catastrophes naturelles telles que les inondations. Mm-hmm. Donc, tout cela, euh, je pense que la solution, ce n'est pas en fait ces mesures cosmétiques. Mm-hmm. Euh, qui pourrait les régler, mais c'est euh, vraiment des solutions structurelles, en tout cas, euh, mhm. pour l'agriculture. Tous les pays du monde subventionnent conséquemment l'agriculture. Est-ce que notre pays subventionne sérieusement l'agriculture mhm. Est-ce que dans notre pays, où véritablement on constate euh, de façon criarde de, de, de, de, la malgouvernance, quand on va franchement facilement les milliards détournés. c'est mhm. Cet argent-là, en tout cas, si c'est bien géré, si l'État est bien géré, est-ce que nous ne pouvons pas, dans une vision, parce que ah, c'est là, en fait, le vrai mhm. débat des mhm. Le troisième, justement, euh, quand vous allez parler vraiment avec euh, des gens sur le terrain, en tout cas, il y a eu un impact, mais vraiment cet impact euh, est insignifiant par rapport à ce que ça, au regard moyens utilisés, et aussi aux, attentes. Donc, euh, il va falloir véritablement qu'on ne soit pas à chercher de l'assistance, mais à comment le gouvernement va permettre à ce que la production. Euh, j'ai vu quand le président de la République était allé à Morgou avec le monde euh, rural, en tout les producteurs L'engagement d'accompagner conséquemment, donc en mobilisant le, financement. Mhm. Euh, il faut que justement les producteurs, en tout cas, puissent avoir, euh, être accompagnés, c'est-à-dire autrement dit aussi, viser la mécanisation de notre agriculture. Tant qu'on continue, les gens vous le disent, tant qu'on continue à travailler avec euh, la OU et la est on ne pourra pas, en tout cas, euh, selon vous, si on vous comprend bien, euh, ces moyens, il faut donc prévenir au lieu de venir euh, chaque fois dire qu'il y a un plan <laughs> après les résultats. Ici, nous avons par exemple 279 milliards et quelques. On pourrait investir vous, ce fonds destiné à appuyer 6, mhm. millions de 491 personnes. Mhm. oui, le, 279 millions, c'est destiné mhm. à 6 millions de personnes. 6 millions et demi à qui des besoins, des nécessité euh, urgente. Mm. En fait, moi, je suis en train de dire que c'est non seulement au niveau national, mais au niveau mondial, puisque vous parlez des Nations Unies, vous parlez de l'Union Européenne, tous les partenaires, en tout cas, c'est un problème, en tout cas, euh, mondial de la gestion de la crise euh, alimentaire, mm-hmm. qui fait que si on veut, on peut véritablement parce que tout simplement, on peut les, mettre fin à la études sérieuses, crise alimentaire. Les études sérieuses montrent qu'il y a suffisamment de ressources disponibles, mais c'est la gestion est-ce que les gens ont intérêt véritablement euh, pour ne pas donc briser les marchés, effectivement, à aider les pauvres à s'autosuffire alimentairement. Mhm. Donc, vous voyez, le vrai débat, c'est cela. Il ne faut pas faire tout simplement de, à peu près du cosmétique. Si on veut vraiment euh, dépasser la question de la crise alimentaire, mettant mhm. mettons conséquemment les moyens pour qu'on produise suffisamment euh, <laughs> vous, l'avez dit, en réalité, c'est ce que disent les Chinois. Mhm. Apprenons aux gens à, pêcher eux-mêmes. Mhm. Et non à leur donner ah, Absolument. Donc moi, mhm. je pense que côté du gouvernement, et, en tout cas, il y a dans le discours donc, cette volonté d'aller il va falloir, en tout cas, concrètement, si on veut vraiment euh, dépasser. Chaque, année, en tout cas, l'humanitaire, en tout cas, on réunit les gens pour que la, gestion de la catastrophe, à, donc crise alimentaire. Mhm. Euh, mais je pense que il est grand temps quand on a des structures comme les trois ans qui sont mis, qui sont mis en place euh, et, tout ce qu'on a comme, comme, capital, mhm. que véritablement qu'on se dise que euh, comment en fait sérieusement inverser la tendance, c'est-à-dire que comme de le président à l'époque, que qu'on ne puisse pas être là en train de la pluie. C'est mhm. ça, je pense, la philosophie des trois ans quand on parlait de ce concept-là, en tout cas de, de troisième, euh, tellement les textes sont bien faits, tellement c'est bien présenté, hmm. et vous avez vu, le, Niger a même eu des prix à l'international, tellement en tout cas le concept est, vraiment euh, accrocheur. Hmm. Mais sur la réalité, on se rend compte euh, que l'effet n'est pas à la hauteur des attentes hmm. des, Nigériens. Merci beaucoup. Hussein Issa, quels sont les défis par rapport à cette gestion de crise alimentaire qui s'annonce on ne peut pas être tout le temps dans la crise alimentaire, Michel. J'ai faim. J'ai besoin de 1000 francs pour assouvir, en tout cas satisfaire le désir de mon ventre. Quelqu'un vient, et me donne 500 francs. D'accord. Mais est-ce que je vais être rassasié N'est-ce pas C'est pas évident. On ne peut pas être dans ce schéma-là. Aucun pays moi, je dis, c'est du cinéma. Pensez que quelqu'un va venir, toi, souverain, celui qui va t'amener à manger. Il faut qu'on cesse. Laisse-moi finir. Il faut cependant non, souhaiter non, que. Non, s'il te plaît. Chaque année, on dit les réponses, réponses humanitaires, mhm. plan d'urgence humanitaire de soutien au gouvernement. S'il te plaît, quand tu sors de ce. Tu vas quand tu vois les espaces qui sont là, les terrains qui sont pas exploités et tout et tout, mhm. ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas exploiter, c'est parce que tout simplement les conditions ne sont pas créées pour que ces zones-là puissent être exploitées. Mhm. Est-ce que tu comprends mhm. Alors, est-ce que les gens doivent continuer chaque année à attendre que c'est l'extérieur On amène des blancs, des blancs, ils viennent s'asseoir là autour d'une table. voilà. Il y a tel montant qui nous manque. Il y a tel nombre de populations qui sont dans une situation de détresse. Euh, aidez-nous à ah, Il y en a beaucoup qui sont déjà partis pour aller chercher à manger. Même quand les, les fonds vont être réunis là, ils ne reviennent qu'à la veille de la campagne agricole pour reprendre les travaux agricoles dans l'espoir que l'année là, ça va marcher. Mm. Aucun pays, aucun pays au monde, aucun je le dis formellement et je le dis haut et fort. Mhm. Où vous vous levez, pour vous battre, pour créer les conditions, pour qu'on ne parle plus de les gens ont faim. Nissa, c'est bah, on parle des aléas climatiques. et selon les données, ce n'est pas seulement le Niger qui est touché par ces aléas. chaque année, c'est comme ça. C'est ça, mhm. les chocs exogènes, les chocs endogènes. Moi, je suis fatigué avec ces choses-là. Mhm. Où on crée les conditions. On a un fleuve qui est là, qui s'étale sur 750 et quelques kilomètres. Mhm. Ce fleuve-là, vous allez parcourir ça. On peut produire beaucoup de choses. Mhm. On peut faire des mares et tout et tout. On peut créer les conditions pour pouvoir produire des retenues d'eau et tout et mhm. tout. Mais alors, quand les gens se mettent dans la logique. Il y a ah, les terres qui deviennent de plus en plus dégradées. Il faut trouver des ah, solutions donc à tout cela. Mais, les, mais non, non. Quand les gens parlent de ces choses-là, les terres dégradées et tout et tout, Bien évidemment, les terres se dégradent, hum. mais il faut les régénérer. C'est l'État. C'est l'État. On ne peut pas se mettre la Chine. La Chine, la décennie 70 jusqu'au début de l'année de, la décennie 80, la Chine était un pays pauvre, comme nos pays, hum. n'est-ce pas Aujourd'hui, la Chine n'étend pas la main à quelqu'un pour dire viens me donner à manger. Ils ont combien de populations Combien de milliards Plus d'un milliard. Plus d'un milliard, n'est-ce pas C'est la plus grande population mondiale. mais alors, l'Inde, l'Inde, et je sais de quoi je parle. Mhm. Si on se met dans la logique où on dit non, on va mettre des choses en place, mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de visibilité, il n'y a rien. On est dans ce schéma-là. Mhm. On attend que les partenaires viennent. Qu'est-ce qu'il oh, faut alors, au Nissa, pour sauver cette situation et arriver à éviter cette récurrence euh, Qu'est-ce qu'il faut Pour terminer, puisque nous allons tourner Non, qu'est-ce qu'il faut Mhm. Ce qu'il faut, c'est que le discours doit être collé au sac. Mhm. Tout simplement. On a promis de faire ça, on a promis de faire ça, et on fait un bilan. Sur cinq ans, je dois faire ça. Je veux pouvoir dire en cinq ans là, je suis à quel niveau Maintenant, même si je ne peux pas continuer, moi, celui qui va venir, il sait au moins à quel niveau je suis. Mhm. Merci beaucoup. il faut donc revoir la politique agricole du pays. pas la politique, la politique pas agricole seulement, la politique éducative, la politique sanitaire et mhm. tout et tout. On est là à attendre la main pour dire, on est... Mais pourquoi ils vont nous respecter ces gens mhm. Comment ils vont nous respecter On a les ressources. C'est la... Suleiman dit, c'est la mauvaise gestion mhm. des ressources. Qui Quand des individus font même base sur les ressources mhm. et on dit non, il faut appeler les, les, partenaires. Mhm. Ces partenaires, ils viennent. Ce pas des enfants de cœur. Ils sont là pour leur intérêt aussi, quelque part. Merci beaucoup, Hussein Nissa. Abordons enfin la dernière partie de ce forum de la presse du studio Kalangou. Il s'agit de la deuxième conférence africaine pour la paix de Nouakchott organisée par le Forum d'Abu Dhabi du 8 au 10 février 2022 sous le haut patronage du président mauritanien Mohamed El Ghazouani. D'éminentes personnalité des oulémas, des jeunes et plusieurs experts ont pris part à cette grande rencontre. Maïmoun Diado, quels étaient les objectifs visés à travers cette rencontre à laquelle a pris part une délégation du Niger conduite par le président nigérien Mohamed Bazoum. Bon, les objectifs visés, vous savez déjà que la Mauritanie aussi fait partie du G5 Sahel. Mhm, euh, pour ceux qui parlent donc de la paix, forum de la paix, ça veut dire qu'il faut juste trouver des solutions mhm. à cette crise d'insécurité euh, qui sévit euh, au Sahel. Mhm. Et le Niger, comme tu l'as dit, a si bien été représenté, en tout cas à ce forum, par le président de la République et une délégation, une forte délégation où le président de la République a également euh, parlé de cette situation d'insécurité mm-hmm. au niveau donc du Niger, euh, du Mali et du Burkina Faso. Mm-hmm. il a interpellé les uns et les autres. Comment est-ce qu'il faut peut-être euh, solutionner, chercher des solutions à mm-hmm. cette crise qui n'en finit pas parce que ils ont comme l'impression que tous les pays se battent les populations se battent contre l'insécurité, mais l'insécurité ne fait que persister. Mmh. Donc, c'est un forum qui permet également d'échanger pour que chaque pays puisse être euh, euh, euh, puisse dire les résultats mmh. qu'ils ont eu à faire depuis des années contre cette insécurité et là où ils se sont en tout cas bloqués ils se sont bloqués face à cette insécurité mmh. donc échanger pour avoir des solutions moi, je me dis que le forum a été, en tout cas, très bien accueilli mhm. par ces populations qui vivent et qui sentent cette insécurité, que ce soit au plan national, que ce soit dans le Sahel, que ce soit dans d'autres pays. Mhm. Euh, l'insécurité n'a pas de frontières, comme on le dit. Mais euh, maintenant, certainement qu'avec la voix qui se sont données, avec euh, les principes qui se sont donnés au sortir donc euh, de ce grand forum. Certainement que les choses vont euh, bouger mhm. du côté donc du Sahel, que d'autres puissances aussi pourront en tout cas amener leur contribution afin d'éradiquer donc ce fléau. Merci beaucoup. Voilà. j'ai Mohamedou Suleiman, quelles sont les conclusions de cette rencontre justement euh, ben, il faut dire qu'avant de parler de conclusion, euh, je pense que euh, l'initiative serait de venir parler des valeurs de l'islam mhm. par rapport à la, à la paix. Mhm. Et notamment se démarquer des discours des terroristes qui veulent utiliser justement cette religion mhm. comme moyen de recrutement justement des, des jeunes. et je pense que le discours du président <laughs> Bazoum eh, qui a mis la robe de l'enseignant parce que vous voyez, c'est un discours, mais ça donne un cours. <laughs> à un cours, mais devant les éléments, lui, en tant que politique, euh, euh, il voudrait vraiment dans une euh, tentative, comme on dit, une mm-hmm. en tout cas, essayer d'interpréter, en tout cas, ah, en citant des, versets du, de, Coran, mhm. euh, en tout cas des hadiths, des pratiques un peu partout donc, euh, de l'islam, euh, mhm. les, écoles donc, donc, islamiques, le, je veux dire le Coran. Il a donné même des exemples. Absolument des, exemples. donc en mhm. vérité, il y a cette façon d'être en harmonie avec les leaders religieux, parce que je pense quelque part aussi, c'est eux qui doivent maintenant relayer le discours de la paix. Comme si cela ne faisait pas assez. Donc, est donc euh, Harmonie parce que eux euh, doivent donc euh, intensifier en tout cas le, donc, la prédication mhm. sur ces notions justement de, de, paix dans regard de l'islam. je pense que le président il a insisté en citant beaucoup d'éléments sur, sur, la paix. Mhm mais vraiment, je pense que c'était à point nommé parce que. Il a dit par exemple que le musulman, il dit assalamu alaikum, qui veut dire beaucoup un souhait de paix. L'islam même veut dire en fait. Euh, L'islam même euh, qui signifie paix. Mais moi, je sais que. Dieu qui fait partie. Ce que je voudrais euh, vraiment souligner. Dans la signification, très important. Mhm. Par exemple, vraiment, c'est pas de la théorie. Quand on sait que, par exemple, en islam, tuer une seule vie, ôter une seule vie équivaut à tuer l'humanité. Mhm voyez, la, quand on mesure donc la gravité du fait de tuer injustement une vie, c'est comme si vous avez détruit toute l'humanité. Mhm. Donc, vous voyez, c'est très important. C'est-à-dire qu'ici, on, on, voit par exemple souvent. Est-ce que tous les oulémas étaient d'accord avec cela On a vu les oulémas qui étaient. pas la théorie, c'est le Coran qui. C'est des mhm. versets du Coran qui ont été cités. Bien sûr. Donc, c'est dans la sunna du, prophète. Donc, d'un point de vue théorique, dans, la, dans sa dimension spirituelle, sociale et économique, euh, l'islam, en tout cas, donne les préceptes, en tout cas, pour une vie harmonieuse, tranquille. Et on parle justement de la paix avec, avec le monde, comme toutes mhm. les grandes religions du monde. Mhm, Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à stigmatiser les musulmans, comme si ailleurs on dit, en fait, quand on parle de tourisme, par exemple, même le mot tourisme est synonyme de jihadisme. Mhm. Alors que cette notion de jihad, la notion de euh, jihad, techniquement, veut d'abord faire violence à soi, euh, faire d'abord se maîtriser, maîtriser toutes ces passions qui nous amènent à, à, faire vraiment des de, crimes, en tout cas, les maîtriser, ça c'est le plus grand jihad. Mhm. Maîtriser d'abord. Mais pourquoi il n'arrive pas donc à dissuader toutes ces personnes, ces jeunes euh, qui sont engagés dans ces différents mouvements terroristes Parce qu'ils sont venus avec des jeunes à pour leur dire venez écouter le vrai message. Michel, en vérité, mhm. les terroristes, vous comprenez bien quand vous voyez la façon quand ils commettent des, des, crimes, mhm. la façon qu'ils viennent tuer, décimer, même euh, la guerre, l'islam aussi, il y a eu la guerre au temps du prophète, mhm, mais il y a une certaine éthique de la guerre. On ne tue pas, par exemple, les, les, vieillards, les enfants, les arbres. la, vous voyez quoi mhm. Mais quand vous voyez la façon de, dont, Il a été dit que c'est des normes aujourd'hui qu'on retrouve dans le droit humanitaire ils vont, ils vont raser Tout, en fait, on se pose la question que même pas, en fait... Euh, on peut euh, vraiment tout simplement la dimension tout simplement de la raison. Mhm. Ceux qui viennent assassiner des gens comme ça, mhm. les égorger. Tout un village, ils peuvent égorger tout le monde, femmes, vieillards, même les bébés. Mhm. Donc vous comprenez que franchement, euh, je pense que c'était très important. En tout cas, euh, cette initiative, elle est importante. Et vraiment, c'est interpelle les éléments d'assumer leur rôle, effectivement, de passer le message. Et aussi aux politiques d'assumer leurs responsabilités en termes de gouvernance. Parce que le de effectivement, c'est la gouvernance aussi qui mm. amène déjà à se faire recruter vers devoir un certain mm-hmm. en tout cas d'incertitude, en tout cas où on vous promet vraiment le bonheur que vous n'avez pas dans, la vie réelle. Merci beaucoup. Il faut donc qu'il change de comportement. Félix Oufouette-Boigny disait justement que la, paix, c'est <laughs> pas un mot, c'est un comportement. Ils doivent inscrire leur acte et comportement dans ce sens. Donc, Nissa, nous allons terminer. C'est vrai, ils sont venus avec des jeunes pour leur dire c'est ça le message, comprenez bien cela. Et il n'y a pas d'avenir pour l'humanité loin d'une paix durable, a déclaré le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Oul Ghazouani, à l'ouverture de cette euh, conférence africaine pour la paix de Nouakchott qui avait pour thème, je le rappelle, offrir la paix au monde. Quelle analyse par rapport à cette position du président mauritanien qui est semblable à celle indiquée par le président Mohamed Bazoum dans son intervention à cette rencontre Bon, Michel, moi, d'abord, je suis contre les concepts. Mm. Des concepts inventés au niveau de l'Occident. État islamique au Grand Sahara. Mm. Ok, les gens, on accepte, c'est comme ça. C'est un État islamique au Grand Sahara qui existe où mm. C'est un concept justement parce que. C'est les n'ont de territoire. Qui inventé <laughs> par, par rapport à des voyous qui sont là. Mm-hmm. N'est-ce pas Il y a quel autre concept encore mm-hmm. Il y en a plusieurs toujours, il y a l'islam dedans. La prédication, oui, quelque chose comme des choses Mais c'est eux qui, parfois, quand on les écoute. Nous, on accepte, nous, on accepte que c'est ça. Souvent, ce sont ces personnes même qui se proclament ainsi, puisqu'ils font parfois des vidéos pour dire que c'est eux qui sont. C'est l'information, mais ils sont d'accord parce que ça les arrange. Mm mais ce même pas des musulmans. Mais un musulman ne peut pas aller tuer un musulman comme ça. Ça mm. peut venir accidentellement ou mm-hmm. dans une altercation, la personne peut perdre la vie, mm-hmm. tout ça. Mais un musulman, un vrai musulman ne va mm-hmm. jamais aller tuer comme ça, gratuitement, son frère musulman, parce que tout simplement, il est en train de revendiquer quoi Souvent avec des drogues, avec... Ah, mais, euh, mais, alors, mais quand mm. les gens acceptent, nous, c'est la communication du Nord, où les gens disent, bon, oui, ils ont inventé concept État islamique, GIS, quelque chose, des choses comme ça. Et on accepte, et nous, nous consommons, et nous relayons, et nous encourageons ces gens qui font ces actes-là. Le discours ne règle pas le problème. Hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire, Hussein Nous sommes à la fin de ce forum. Oui, d'accord, laisse-moi finir. Hmm. Tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est parce que tout simplement, nos sociétés sont mal gérées. Mhm. Parce que la redistribution des ressources, des richesses, n'est pas faite de manière équitable, mhm. comme le revendique, comme le réclame l'islam. Où il faut créer les conditions pour que, dans une entité donnée, chacun puisse être au moins dans des conditions décentes. Mhm. Quand on crée des situations où des gens se retrouvent marginalisés, pendant qu'une petite minorité se retrouve avec ça. Mais bien évidemment, ça crée des frustrations et ça encourage les jeunes à aller s'asseoir autour d'un table pendant des jours, discuter, venir faire des beaux discours. C'est ça qui va changer les choses. Ça ne va pas changer les choses. qu'est-ce que les organisateurs, par exemple, de cette conférence peuvent faire pour que contribuer chacun prenne ses responsabilités. Mhm. Chez moi, je sais ce que je peux mobiliser. Mhm. Je sais comment je peux créer les conditions pour que n'importe quel coin de ce pays-là, n'est-ce pas, mhm. que qu'on puisse faire un minimum aux populations. Mais quand on abandonne des zones entières à elles-mêmes, c'est quoi qui va se passer C'est des zones qui considèrent qu'ils sont du, pays, mais ils ne sentent rien. Qu'est-ce qu'on leur fait au niveau de l'État central Ce n'est pas le discours qui va gérer, qui va régler quelque chose. Hein n'est pas le discours. Le simple discours ne suffit pas. Il faut des actes concrets. C'est tout. Merci beaucoup. Nous sommes donc euh, au terme de ce forum de la presse euh, du studio Kalangou de ce soir, euh, vendredi 18 février 2022. Nous disons merci à nos invités. LAG Mohamedou Souleyman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Hussein Issa, journaliste indépendant. Et Maïmoune Gado, journaliste indépendant indépendante également. Merci aussi à vous, chers euh, auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou, à la modération de ce forum de la presse. Je suis Michel Deji, Mustapha Ayoba à la technique pour le son. Merci et excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.